le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalango au micro c'est Amadou Moumouni. Les programmes du studio Kalango sont diffusés à Niamey sur l'alternative FM 99.4 et en Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions, des localités d'Arlit, Filengue, Berningaure, Chirozirine, Magaria, Maïné, Soroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Nous sommes lundi 14 novembre 2016, le 14 novembre, journée consacrée au diabète. Le diabète, c'est cette maladie au taux de sucre élevé dans le, sang, au-delà de 1,26 g. Il est l'une des principales causes de problèmes de vision et de cécité, selon le secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon affirme dans son message que le diabète gagne du terrain en raison du vieillissement de la population et de la progression de l'obésité. Actuellement, quelques 422 millions de personnes vivent avec le diabète dans le monde. La prévalence a presque doublé dans les 35 dernières années, surtout dans, des pays comme le nôtre. En Afrique, le nombre de cas de diabète va passer de 10 millions à 19 millions entre 2010 et 2030, selon le ministre de la Santé publique du Niger, Elias Idi Manassara. Pour le cas du Niger, la prévalence actuelle est la plus élevée de la sous-région, avec 4,3%. Le problème, c'est que la majorité des diabétiques ne connaissent pas leur statut, car ils arrivent très souvent à l'hôpital à l'occasion d'une complication. Le thème retenu est Regardons le diabète en face, une façon de se concentrer sur la prévention et le renforcement des services de santé. Le diabète, qu'est-ce que c'est Quelle est la prise en charge Quelle prévention et comment vivent les patients quel est le niveau de mobilisation des populations pour aller se faire dépister pour cette journée. Nous aurons des explications et des témoignages avec des reporters à Niamey et dans les régions de Maradi et d'Osso. Alors, pour revenir au studio, disons que la situation du diabète au Niger, pour en parler, c'est surtout des invités en direct dans ce studio. Nous avons à notre droite docteur euh, Aminou Maman Sani, pardon. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci. Vous êtes euh, diabétologue, andriconologue à l'hôpital national de Niamey et vous êtes coordinateur du projet Amélioration de la santé des diabétiques au Niger. C'est un projet de l'ONG Forsani. Merci d'être là. Merci. Nous avons aussi et surtout des patients il s'agit de M. Haruna Hamadou, André, à ma, gauche. Bonsoir Haruna. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci. Vous, vous, portez bien Je me porte bien actuellement. Merci. Il y a aussi M. Gorko Amadou. Oui. Merci d'être venu. Merci. Comment vous allez Ça va, tout va bien. Ça va. Merci donc euh, pour cet honneur. Nous allons commencer avec le docteur qui va essayer de nous définir ce que c'est d'abord le diabète. Merci pour cette euh, invitation, Studio Kalangu. Je suis très heureux à l'occasion de cette journée euh, mondiale de lutte contre le diabète qui se célèbre tous les ans, le 14 novembre, de m'inviter à votre studio. Le diabète, c'est une maladie chronique non transmissible qui est définie par un taux élevé de sucre de façon permanente au-delà de 1 g 26 à jeun et à n'importe quel moment lorsque le taux de sucre dépasse 2 grammes. Cette situation est liée soit à un manque d'insuline ou bien à une inaction de cette insuline, ou les deux phénomènes. L'insuline, c'est cette hormone qui est sécrétée par le pancréas, 1% de cellules du pancréas, et qui permet à l'organisme d'utiliser le sucre. Donc, si vous avez un taux élevé de sucre, vous êtes diabétique. Oui, le fait d'avoir un taux élevé de façon permanente au-delà de 1,26 grand 26 euh, à, au moins deux reprises euh, permet d'établir le, diagnostic de diabète. Il y en a plusieurs types Il y a plusieurs types de diabète. Euh, il y a deux types principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 1. C'est autrefois appelé le diabète non insulinodépendant. Diabète insulinodépendant qui euh, attaque ou qui atteint les personnes jeunes, à moins de 30 ans, qui sont maigres, donc qui n'ont pas assez d'hérédité diabétique. Le deuxième, c'est le plus fréquent, le diabète de type 2. Autrefois, on l'appelle diabète non insulinodépendant. C'est ce qui arrive chez les personnes à maturité au-delà de 35 ans et qui ont le plus souvent une obésité ils ont également hérité parfois du diabète. Et à, côté de ces deux types de diabète, il y a ce qu'on appelle le diabète gestationnel qui survient chez la femme enceinte qui ne se connaît pas diabétique. Et l'autre, le dernier, c'est le diabète secondaire. Secondaire à un problème de malnutrition, secondaire à un problème, une attaque pancréatique, autre un cancer, une, pancréatite euh, dans nos contextes euh, tropicaux, euh, secondaire à un problème hormonal, secondaire à des médicaments comme les corticoïdes qu'on utilise, ou secondaire à une affection génétique ou à une infection. Donc voilà, il y a deux types principaux, un et deux. En plus, il y a le diabète gestationnel et le diabète secondaire à une maladie. On va, essayer de donner la parole aussi aux patients, parce que c'est eux qui vivent aussi avec la maladie. Eh, monsieur Amadou, qu'est-ce que c'est que le diabète pour vous Pour moi, le diabète, euh, c'est une maladie qui, est, qui a une forte, forte, euh, je dirais, pression sur la personne, d'abord, parce que la personne, en tout cas au début, a certains malaises. Il dort pas bien parce que à peu près à chaque 30 euh, minutes, il va aller pisser. Et il se réveille le matin très tôt, s'il n'a pas eu à manger, c'est comme si c'est le feu qui brûle dans l'estomac. Il cherche à manger. Et là, vraiment, quand il a à manger, il mange. Il mange. Il mange, je dis. Si vous me comprenez, il mange, il mange, il mange. Mais cela ne l'empêche pas de revoir encore les fonds des marmites pour dire il n'y a rien encore. Et pour moi, le diabète se manifeste à la personne par surtout ces deux signes-là. Il mange beaucoup, il pisse beaucoup, surtout, et il boit beaucoup d'eau. Ça fait combien d'années que vous êtes diabète, diabétique ah, Je suis diabétique maintenant, je crois que j'ai connu mon diabète en 2000. Comme cela, vous êtes parti euh, si... à l'hôpital et puis... Euh, non, c'est pas dans ce sens. C'est pas dans ce sens. Je venais d'ailleurs d'une mission à l'intérieur du pays, une mission du ministère de la Santé à l'intérieur du pays. Vous êtes cadre du ministère de la Santé Je suis cadre du ministère de la Santé. Et j'étais dans mon bureau, j'ai commencé à voir comme si c'était des bourdonnements. C'est la première fois. Je me suis levé, comme nous avons un médecin à côté. J'ai dit, je vais aller voir le médecin rapidement. Je me suis levé avant d'arriver à son bureau. Je suis déjà à terre. Tombé. Je ne voyais rien. Je pensais que je mettais mon pied dans les trous. Et c'est la secrétaire qui m'a vu tomber, qui a commencé à crier Et eh, André est tombé, André est tombé, sauvons-le rapidement. Et ce qui a attiré le médecin en question, il est sorti courir, il est venu, il a dit Véhicule tout de suite. Ils m'ont amené à l'hôpital. Ah, ils ont fait la glycémie. Ils ont trouvé une glycémie au-delà de 4, 4 grammes. Au-delà. Donc tout, est venu d'un coup. Tout est venu pour moi d'un coup. On va passer la parole à Gorko. Monsieur Gorko, euh, vous êtes patient. Depuis combien d'années Depuis 8 euh, ans. 8 ans. Depuis 8 ans, 2000. Euh, oui, mot doit définir ce que c'est le diabète. Vraiment. Vous, c'est la hein? même situation La même situation que manger On beaucoup On mange beaucoup, on boit beaucoup, on a toujours faim, on dort mal. Je dis bien, on dort mal. Le sommeil ne vous attaque que après 6 heures. 6 heures du matin. 6 heures du matin. C'est temps que vous avez, vous avez, vous pouvez un peu dormir. Sinon, la nuit, il est pratiquement impossible. Vous avez le corps chaud, les pieds chauds, euh, des, malaises, franchement des malaises auxquels vous ne pouvez pas expliquer parce que c'est inexplicable pour quelqu'un qui ne connaît pas de quoi il vit. Donc euh, le diabète, vraiment, c'est une maladie euh, très difficile à contenir, très difficile. Docteur, <coughs> tout de suite, vous parlez de, non-transmission. Ouais. Mais pourtant, on dit que le diabète est héréditaire. Euh, je parle de non-transmission. En fait, le diabète, ce n'est pas une maladie. Euh, si je dis transmission, c'est-à-dire comme, euh, par exemple, contagieuse, comme la rougeole, comme la varicelle. Donc, c'est une maladie non transmissible. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai la maladie, je suis à côté de vous, je ne vous transmets pas la maladie. Donc, le contact, ne vous donne pas la maladie. Mais c'est vrai, il y a cette notion d'hérédité diabétique, surtout dans le cadre du diabète de type 2. Donc plus de 50% de ces patients ont au moins un parent diabétique. Homme-femme. femme Plus de 50% des diabétiques de type 2 ont au moins un parent diabétique selon une étude. Et c'est le type le plus dangereux C'est le type le plus dangereux, c'est le plus fréquent parce que euh, c'est ce diabète qui ne s'annonce pas. C'est euh, ce diabète sournois qui vient, en fait, euh, dans lequel il n'y a pas ces signes que les patients sont en train de décrire. Il survient très souvent, on trouve les malades dans une situation comme l'a décrit M. Hamadou. C'est une situation d'emblée d'une complication du diabète, un taux élevé du sucre avec une acidocétose ou bien avec une hyperosmolarité, c'est-à-dire avec en tout cas euh, des, stigmates, des complications aiguës de ce diabète. Docteur Maman Sani Aminou, je rappelle que vous êtes diabétologue et vous êtes surtout le coordinateur du projet Amélioration de la santé des diabétiques au Niger. C'est un projet de l'ONG Forsani, Forum euh, euh, pour la santé au Niger. Force mhm. Forsani qui accompagne le ministère de la Santé pour célébrer cette journée mondiale euh, de lutte contre le diabète. Et pour cela, vous avez organisé euh, une campagne de dépistage du diabète et de l'hypertension, compris, à Niamey, à Maradi, à Zender et à Dosso. À Niamey, c'est notre reporter, Laura Ibrahim Gado, qui a fait le tour de certains sites. Voilà ce que racontent certains, ceux qui sont partis se dépister. dépister pardon. C'est pour faire un contrôle de la glycémie, mais aussi de la tension artérielle. Ça s'est bien passé puisque chacun suit l'ordre. C'est une bonne initiative. Et j'ai même une suggestion, si possible, qu'on fasse ça chaque trois mois ou quatre mois, puisque maintenant ce sont les deux maladies-là qui menacent, qui menacent la population. Mon résultat <laughs> pour la glycémie, je viens un 1,33, pour l'attention, tension 15. Sans venir ici, peut-être que je ne saurais même pas si j'ai l'attention ou je ne dirais pas que j'ai le diabète, mais peut-être un début. Maintenant, comme je suis, je vais à chaque fois faire le contrôle. Je suis venue me dépister pour voir ma santé. C'est pour l'attention et le diabète. Vraiment, maintenant, je suis soulagée parce qu'on on a vu que je parle le diabète et l'attention Avant d'avoir le résultat, j'ai senti la stress. Je peur pour qu'on ne me dise pas que j'ai l'attention ou le diabète. Mais après avoir vu le résultat, vraiment, je me suis soulagée. Euh, je n'ai jamais eu à faire le dépistage du diabète. C'est pourquoi, en apprenant sous les ondes qu'une campagne de dépistage gratuite se tient dans notre quartier, j'ai décidé de venir me faire dépister. Dieu merci, les résultats montrent que je ne suis pas diabétique. Mais ma tension, elle, est montée. Je suis à 18,11. Voilà quelques patients qui sont partis se dépister ce matin euh, dans le cadre de la campagne organisée par Force Ani pour la journée de lutte contre le diabète. Docteur, on va rester avec vous puisque c'est vous qui avez organisé cette campagne. Euh, on parle de campagne euh, contre le diabète, de dépistage mm. sur le diabète et l'hypertension artérielle. Mm. Pourquoi vous combinez les deux maladies Alors, initialement, initialement, nous avons un projet euh, comme vous l'avez dit, projet amélioration de la santé des diabétiques. Mais vous savez, le diabète et la tension sont, comment on appelle, deux, deux ennemis qui, ont, en fait, qui attaquent de la même façon. Plus de la, moitié, plus de la moitié des diabétiques ont l'hypertension. Donc c'est pour ça qu'on a combiné le dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle. Et pourquoi dépister alors, pourquoi dépister Parce que, euh, vous savez, euh, dans nos pays où les gens n'ont pas assez de moyens, où euh, le diabète de type 2, comme je vous le disais, est une maladie sournoise et une maladie qu'on peut vivre 5-10 ans, 10 ans sans, le savoir. Donc, il faut qu'il y ait ce genre de dépistage fortuit, volontaire, gratuit, pour amener la population, les 90% des diabétiques de type 2 qui ne se connaissent pas, qui ont le diabète, mais qui ne connaissent pas leur statut, à se faire dépister. Donc cette occasion permet en tout cas à la population de venir. Ceux qui ont le diabète, donc ils sauront cette même journée en 5 secondes, c'est un test rapide, en 5 secondes ils ont leur, euh, ils ont leur statut. Si la glycémie est élevée, on, on leur dit si elle n'est pas élevée, on leur dit également, et on prend les précautions après tout cela. Alors, on va aller à Dosso. Dosso, trois sites ont été mis en place pour le dépistage à l'occasion de cette journée. L'un d'eux est le centre de santé de la mère et de l'enfant. Notre rapporteur Daoud Hassan s'y est rendu et s'est entretenu avec le pont focal de la lutte contre le diabète, M. Maman Lawadi. Il nous fait le point. Il y a eu une forte mobilisation, c'est un point fort dans cette activité. Quel est le suivi que vous faites Avec euh, une glycémie qui dépasse dans les 1,26 grammes par litre. cette personne est référée au, e centre régional et pour euh, une prise en charge médicale. La prise en charge, euh, d'abord il faut encore refaire le bilan pour confirmer le, chiffre de la glycémie qui a été lors du dépistage et ensuite voir s'il faut à quel niveau il faut intervenir. S'il faut lui prescrire des, des, médicaments ou bien il faut lui l'instruire à ce qu'il fasse un régime. La mi-journée, quel est le taux de prévalence ici au centre mère-enfant On a eu jusqu'à 85 personnes qui ont été dépistées. Sur les 85 personnes qui ont été dépistées, eh, on a 17 personnes qui sont admises comme ayant des, des taux de glycémie supérieurs au chiffre de 1,26 g par litre, ce qui donne un taux eh, sur une population de 100 personnes 23,5%. Quel est donc l'appel que vous lancez euh, à la population par rapport à ces dépistages de, répondre massivement à l'appel des agents de santé pour euh, ces genres d'événements quand ça se présente, de ne pas rester chez elles, de sortir, de faire l'effort, de venir, de patienter, de suivre ce dépistage-là. Voilà, après Dosso, nous allons à Maradi, maladie euh, Maradi qui s'est joint également au reste du pays pour célébrer ce 14 novembre. Là-bas, on estime que le changement du mode de vie et la sédentarité des populations sont les facteurs qui aggravent le taux de prévalence. Docteur Agali Anaba, médecin interniste, affirme que de nouveaux cas sont chaque jour pris en charge. Il est au micro de notre correspondant Maman Maman. On a vraiment beaucoup de cas de diabétiques. Chaque jour, on a des diabétiques. Dans les services, tout le temps, on a des diabétiques. C'est seulement les statistiques qu'on ne maîtrise pas pour la journée d'aujourd'hui, c'est qu'on a pu au moins recenser comme cas de diabète. Docteur, euh, vous dites que la situation est critique à Maradi. Comment le prouver Sur les trois sites, euh, on a dépisté 556 euh, personnes, parmi lesquelles 97 sont positives, c'est-à-dire sont diabétiques, à peu près 17%. Donc vous voyez, euh, ces chiffres sont vraiment inquiétants, sont alarmants. Et si on arrive à dépister une large population, on aura beaucoup plus de personnes qui sont atteintes. Qui sont les plus touchés C'est les anciens ou bien les jeunes Aujourd'hui, on remarque que dans les temps, c'était les personnes âgées, obèses, c'est-à-dire qui sont en surpoids, grosses. Aujourd'hui, on constate qu'il y a de, plus en plus de jeunes euh, qui sont obèses, qui deviennent diabétiques. Bien entendu, on parle du diabète de type 2, parce que le diabète de type 1, euh, c'est très tôt dès l'enfance, on contracte ce diabète. Donc toutes les tranches d'âge, compte tenu de la modification des conditions de vie, des modes de vie, que les gens imitent l'Occident, toutes les tranches aujourd'hui sont exposées. Euh, dès qu'on abuse un peu sur la consommation de ces produits, on devient gros, et on, développe les, facteurs de risque du diabète. Il y a bien entendu l'hérédité. Quand on a des parents euh, diabétiques, euh, il faut s'attendre euh, à peu près à 80% des chances de contracter le diabète de type 2. Donc quand on a vraiment des parents diabétiques, il faut utiliser la prévention. Quelle est l'importance du dépistage du diabète le dépistage, c'est surtout euh, le diabète, une maladie silencieuse. On est diabétique, parfois on ne le sent pas, jusqu'à développer une complication. Les complications, c'est les accidents vasculaires cérébraux, c'est les insuffisances rénales, c'est les amputations des pieds, euh, les complications oculaires. Donc, on a le diabète, parfois on, ne le sent pas. Voilà, après maladie, nous revenons au studio avec euh, nos patients. nous allons commencer avec Amadou. Vous avez suivi, euh, en tout cas, tout ce qui est sur le dépistage, les campagnes, euh, les sites qui ont été visités. Vous pensez que ceux qui, ont, ceux qui sont dépistés ont eu la chance de le faire Et qui Par rapport à vous, votre situation Ceux qui, ont, euh, ceux qui sont dépistés ont vraiment une chance. Pourquoi je dis une chance C'est de savoir leur statut savoir son statut, ça te permet d'avoir un comportement. C'est pourquoi je dis que. Un comportement. Un comportement qui va dans le sens eh, d'aller à l'encontre de la maladie. Par exemple, l'alimentation. C'est très important. Quand tu sais que tu es diabétique, tu vas essayer d'éliminer tous les sucres. En tout cas, les sucres les, dans les céréales surtout, et le sucre euh, qu'on vend sur le marché. Les boissons. Les boissons. Les, les, Aujourd'hui, nous savons que partout, vous avez ce qu'on appelle euh, les jus et autres. Bon, vous savez tout ça. On doit, quand tu sais que tu as le diabète, tu vas t'écarter de tout ça. Et en t'écartant de tout ça, tu vas pouvoir éviter certaines complications. Ou même parfois arriver à avoir un taux vraiment eh, acceptable. Je ne dis pas que vous allez avoir un taux eh, très bas, mais vous allez avoir un taux acceptable, je voudrais dire. Parce que le taux très bas aussi, quand tu es, c'est que tu es, eh, diabétique, tu vas essayer de ne pas avoir un taux très bas. Parce que vous savez, le eh, docteur le confirmera peut-être, le, confirmer, eh, eh, le va le confirmer, c'est que l'hypotension, l'hypoglycémie, je voudrais dire, va entraîner une certaine situation dans le corps. Et cela va faire en sorte que la personne puisse très rapidement hein, décéder. L'hypo, moi, je crains beaucoup plus l'hypo que l'hyper. D'accord. Peut-être on va revenir sur ces aspects-là. Merci. Euh, Monsieur Gourcou, quel conseil, dans le cadre du dépistage, vous, en tant que patient, vous pouvez donner à ceux qui ne le font pas Merci. Euh, je pense que moi, j'ai été victime déjà dans ce sens parce que je ne savais pas au début si j'étais euh, diabétique. Vous avez été surpris aussi J'étais surpris. Et j'étais malade, je ne savais pas comment je vivais. Vraiment, je vivais mal. C'est en ce temps que je suis allé moi-même chercher à, me dépister parce que j'ai été vers un docteur, un certain Larabou, qui était encore au CHI. Donc, euh, que je lui ai expliqué comment je vivais, il m'a fait des, des, trucs pour aller faire un examen. Je suis parti dépister, j'avais 3,70 grammes il m'a redonné un autre bulletin. Il m'a dit d'aller ailleurs pour faire. J'ai été, j'ai eu 3 grammes 69. neuf. il m'a redonné encore un autre hein. bulletin. Ça fait 3. 3 bulletins il m'a donné. Et le troisième faisait 1 gramme, 3 euh, grammes 71. Donc, j'étais revenu avec ces résultats-là. Il m'a dit, Monsieur Gorko, vous êtes diabétique. je ne sais pas si vous connaissez, si vous étiez diabétique. J'ai dit, je ne connais pas. J'étais hyper tendu parce que je suis hypertendu, je j'ai une hypertension depuis euh, dans les années 83. Euh, comment, comment, vous avez accueilli la mauvaise nouvelle <laughs> Voilà, c'est vrai, ça il fallait me le demander parce que je me suis dit, ben ça, ça, ne va plus. Je suis d'abord hypertendu, je suis diabétique et je suis ulcéré. Je dis donc ma vie ne va pas aller loin. J'ai dit ça au docteur. J'ai dit, docteur, mais moi, ça ne va plus, donc je ne peux plus vivre. Il dit, non, tu peux vivre avec ton diabète, il n'y a pas de problème. Mais il y a des comportements que tu dois t'adapter. Il faut suivre d'autres comportements et le régime et les produits qu'on va te prescrire, il faut les prendre. Et c'est comme ça j'ai commencé à vivre avec le diabète. Et vraiment, euh, ça va, je tiens, je tiens encore. Nous allons y revenir. Merci. Docteur, il y a des chiffres qui sont c'est vrai que c'est des échantillons un peu euh, très petits. À Dosso, 23%, pour ceux qui étaient partis se dépister. maladie 17%. C'est des chiffres qui interpellent oui, ça interpelle effectivement. C'est des chiffres très élevés qu'on trouve lors de nos campagnes de dépistage. Et c'est ce qui est alarmant parce que très souvent, c'est des gens qui ne se connaissent pas diabétiques et qui viennent au hasard faire la glycémie qu'ils trouvent qu'ils sont diabétiques. Cela veut dire que eh, le taux de diabète, l'ampleur du diabète est très importante. Il faut faire quelque chose, il faut pousser, il faut eh, sensibiliser la population à venir eh, se faire dépister. Sinon, tous ces patients, s'ils avaient duré quelque temps avant de faire leur glycémie, ils allaient tomber, comme le cas de Hamadou, et ils seront peut-être dépister aux urgences Alors, quelques chiffres pour le, Niger. La prévalence actuelle est la plus élevée de la sous-région avec 4,3%. Euh, oui, une des plus élevées, parce qu'il y a des pays euh, comme la Côte d'Ivoire qui atteint 6%. Euh, le 3, il y a 3% dans certains pays de la sous-région, mais la nôtre, elle est une des plus élevées. Et pourquoi Et Pourquoi Parce que, en fait, euh, c'est les chiffres euh, statistiques qui ont montré ça, mais il y a nos comportements qui expliquent cela. Nos comportements, c'est l'alimentation que nous avons, qui est trop sucrée. Aujourd'hui, si vous regardez la, télévision, on fait que la promotion des produits sucrés. Les jus de tel, de tel. Mais il n'y a pas que le Niger. Je ne cite pas. Oui, il n'y a pas que le Niger. Mais au Niger, il y a un peu cette euh, manque peut-être d'éducation alimentaire qui fait que en sorte les, gens pensent que bien manger c'est euh, manger trop sucré, trop gras, euh, des comportements qui amènent au diabète. Donc nous avons un comportement alimentaire hypercalorique qui fait en sorte que l'ampleur du diabète va augmenter considérablement quelles sont, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus touchées que d'autres Oui, euh, les zones les plus touchées, ce sont les zones urbaines, des, des villes comme Maradi, où vraiment le taux d'urbanisation et euh, le niveau d'urbanisation est très important, comme Niamey, comme Tawa, on trouve des cas très très très élevés de diabète dans ces régions-là. C'est surtout dans les zones urbaines. Les zones rurales sont un peu euh, euh, on trouvera peut-être une prévalence de 2% ou 1%. Mais le grand chiffre, c'est dans les villes urbaines. Et c'est pour cela que dans nos campagnes, on, a pour le moment accès surtout aux grandes villes pour que euh, ces, patients qui ne sont pas connus soient dépistés et soient pris en charge rapidement. Merci pour ces explications. À 18h46 minutes, on va observer une petite pause. Voilà, à 18h47 minutes, euh, nous allons à Maradi pour euh, suivre euh, ces témoignages d'un patient que notre reporter a pu rencontrer. Nous l'écoutons. C'est une qui me dérangeait, ah, j'ai demandé à un ami où est-ce qu'il faut faire le contrôle. Il m'a dit au centre de Danja. Une fois dépisté, on m'a prescrit des produits que je prends régulièrement. Mais depuis deux jours, je sens la maladie revenir. Il y a quelques jours, j'étais parti au centre de la CNSS, mais on m'a dit que je n'ai pas le diabète. Mais malgré tout, j'ai fait un autre test à Danja qui a révélé que mon taux de sucre est monté. Avec le diabète, la vie n'est pas facile parce qu'il y a des aliments que je ne peux pas manger. Depuis que je suis diabétique, je je ne mange pas le riz, je ne prends pas la boule à base de mil. C'est deux fois que je mange du maïs ou de la boule du sago, avec un peu de niébé et du macaroni. il s'est quelques jours. Je les sens très fort, surtout que depuis deux jours, mes produits sont finis et je n'ai pas pu m'en procurer pour le moment. Quand mon diabète se manifeste, je sens une forte température de mon corps et je pisse beaucoup. Pour moi, il n'y a pas une maladie plus dangereuse parce que même manger devient un problème. Tout ce qui y a comme produit, on me le déconseille. Je prends les produits pour un mois chaque fois que je ah, me ravitaille et ça ne me dépasse euh, pas 3000 ou 3500 francs. Mais pour moi, l'argent n'est pas important. Pour retrouver la santé, je peux dépenser plus. Voilà un diabétique de la région de Maradi. On revient avec euh, nos patients qui sont dans le studio. Gorko, vous avez suivi euh, votre euh, ce monsieur de Maradi. Oui, il l'ai suivi. Oui, c'est difficile d'être diabétique. Très difficile d'être diabétique. Oui, vous. apparemment, vous vous avez un moral de fer. Oui, j'ai un moral de fer, mais franchement, c'est vraiment difficile parce que moi, j'avais souhaité que le diabétique soit aussi reconnu comme un incident. <laughs> comme incident, je répète bien, parce que comme l'a dit euh, le patient de Maradi, vivre avec le diabète c'est vraiment difficile. La nourriture, surtout, que vous devez prendre pour manger, tout ça, ça, ça demande un coup. Et le coup, là est difficile. Et c'est pourquoi je dis, moi je ne sais pas pourquoi on dit que les sidiens, il faut les supporter ailleurs, on leur donne à manger comme les tuberculeux. Comme les, je souhaite que les diabétiques soient dans le même cadre. Il faut qu'on reconnaisse que le diabète c'est une maladie très dangereuse et que les gens vivent difficilement euh, avec cette maladie. Mais ils sont délaissés. Les diabétiques Les diabétiques sont délaissés parce qu'ils n'ont pas une aide. On ne les aide pas. Vraiment, si ce n'est pas tout dernièrement, moi, j'avais. Avant que je ne connaisse le docteur en face, je vous assure que ça me coûtait extrêmement cher. Puisque je partais même dans les cliniques où ça me coûtait extrêmement cher, je ne pouvais pas. Moi, je suis un retraité. Oui. Un retraité on dévalue un peu euh, combien ça vous coûte, euh, ah, ça coûte par, an, par mois. Par mois oui. Les produits, pour voir le docteur deux fois dans le mois, souvent, donc ça à 7500 francs par, par, par chose pour être consulté. Par mois, pour, la Pour être consulté, si tu vas deux fois, ça te fait combien Et en plus de ça encore, euh, il y a les produits. Les produits, c'est par mois que je, je prenais ça, mais c'était produits chers. Je prends une boîte, par exemple, à 7000, 7000 et quelques. Vous voyez ce que ça donne. Alors, c'est votre situation aussi Non, moi, ce <coughs> n'est pas ma situation. D'autant plus que moi, je suis un agent de santé. En tout cas, en ce qui concerne les médicaments, Dieu merci, je suis souvent servi. Il y a des collègues qui m'appellent par-ci, par-là pour me donner une, deux boîtes. Aujourd'hui même, j'en ai reçu de mon médecin qui est en face de moi. ça va continuer, vous pensez dans tous les cas, euh, je supporte cette maladie depuis 2000 et de 2000 à maintenant, euh, je n'ai eu qu'une seule fois une rupture de médicaments et qui m'a même amené à l'hôpital. Pendant combien de temps oh, la rupture a duré deux bonnes semaines parce que je n'avais pas les produits qu'il faut et j'ai demandé à un collègue qui se trouve dans un pays voisin, au Maroc, de m'envoyer les médicaments. Lui, il a eu les médicaments, au lieu de les envoyer directement, il les a amenés à l'ambassade. Et de l'ambassade, ils ont traîné pour pouvoir me les renvoyer. Ce qui fait que, avant que je ne reçoive les produits, je suis à terre. On va revenir à vous. Docteur, avant de parler de la prise en charge, eh, M. Amadou parlait de taux de glycémie expliquez-nous concrètement qu'est-ce que ça veut dire et en quoi c'est lié à la maladie, le diabète. Alors, euh, le diabète, comme je le disais, c'est euh, lorsque l'organisme n'arrive pas soit à sécréter l'insuline, cette hormone qui permet d'utiliser le sucre dans le sang, ou bien lorsque cette hormone est sécrétée et elle est euh, inactive, donc en ce moment, quand euh, l'insuline, qui est l'hormone qui doit permettre à l'organisme d'utiliser le sucre, n'est pas très fonctionnelle ou manque dans l'organisme, le sucre qui n'est pas utilisé dans les cellules s'entasse dans le sang. Donc au fur et à mesure, ce sucre augmente et lorsqu'il atteint un seuil où l'organisme ne peut pas tolérer, euh, qui peut entraîner les complications. C'est en ce moment, donc euh, on parle de 1 gramme 26. c'est en ce moment qu'on déclare la personne diabétique. Mais le diabète à lui-même, c'est pas. Euh, en fait, c'est vrai, c'est un problème, les patients l'ont dit. Mais on peut vivre avec le diabète sans problème tant qu'on arrive à baisser ce taux de sucre avec les médicaments, avec le régime, à un taux normal. On vit bien. Et le taux de 1,26, c'est le taux à partir duquel les complications peuvent s'installer au fur et à mesure. Donc le diabétique doit avoir une glycémie basse en dessous de 1,26 mais pas arriver au seuil également comme l'a décrit. Mais la prise en charge, euh, c'est difficile quand même. La prise en charge, c'est difficile. C'est difficile, je reconnais que c'est difficile. Le coût financier. Le coût financier. Effectivement, les médicaments coûtent excessivement cher. Euh, ils ne sont pas subventionnés comme les autres maladies, par exemple, comme le sida, bien que le diabète tue euh, plus que le sida, plus que la tuberculose, plus que le paludisme réuni. Les, trois, maladies. réunies tuent moins que le diabète. En 2015, le diabète a tué 5000 personnes à travers le monde. Le sida a tué 300 euh, 000, le paludisme 1 500 000 et euh, la tuberculose, 1 million 500 Le tout, ça ne fait pas, euh, ça ne fait pas 4 millions d'habitants. Pourquoi il n'y a pas cet intérêt Il n'y a pas cet intérêt. Bon, c'est vrai, le, diabète, c'est le parent pauvre, en tout cas, de la prise en charge. Les organismes, l'OMS, euh, a commencé à s'intéresser à cette maladie qu'on appelle en tout cas maladie non transmissible, a commencé à s'intéresser à ces maladies-là très tardivement. Et c'est maintenant qu'ils sont en train de... Jusqu'à présent, il n'y a pas d'action concrète de l'OMS par rapport à la prise en charge. En tout cas, pas dans nos pays. Et les partenaires également ne s'intéressent pas. Monsieur Amadou, euh, socialement, mhm. comment vous voyez les gens Est-ce qu'ils sont, ils vous soutiennent Est-ce que vous sentez le poids de la société avec votre maladie Socialement, je vous dis, c'est particulièrement mes collègues du ministère de la Santé. Ils ne m'ont jamais oublié. Mais si je vois ma famille, ce n'est pas le cas. Il faut le dire franchement. Et là, je comprends parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que dès qu'on te voit debout, tu marches, tu viens, tu pars, tu reviens, on pense que tu es en bonne santé. Alors que quelque chose est en train de te ronger. ronger. Et socialement, je pourrais dire que, en tout cas, tous mes collègues, collègues de travail, compris dans ce sens. Go pour vous, c'est différent Bon, euh, c'est presque, on va dans le même sens. Et je sais que moi, la seule chose où vous ne sert pas, parce que moi, je ne suis pas pris en charge ailleurs et personne ne m'aide ailleurs, c'est moi-même qui fais tout. Ce qui, ce qui concerne ma maladie, c'est moi qui la prends en charge. C'est très difficile pour un retraité. Très, très, très difficile. Et c'est pourquoi j'ai dit bien, moi, j'ai dit que je ne comprends même pas pourquoi on supporte les sidéens et les tuberculeux et les palidiens, et pourquoi pas les diabétiques qui en souffrent plus que ce que les autres entendent. Les diabétiques, ils souffrent plus que ça. Tu es exposé à tout. Le matin, tu te lèves. Après la prière, tu vas marcher 5 km, 10 km. Les chiens, les trucs, les bandits peuvent te taper même sur la route. Et vous êtes obligé de le faire. Vous êtes obligé de le faire. Parce que vous ne pouvez pas chaque jour se lever, aller au stade, prendre votre véhicule. Moi, je ne peux pas chaque jour prendre mon véhicule, aller au stade. Je suis loin du stade pour venir rentrer et puis faire mon sport à l'intérieur du sport. Mais le matin, je sors de chez moi et je rentre dans les rues, exposé au véhicule, exposé à tout. comment on doit vous aider vraiment. Et moi, comment on doit m'aider C'est pratiquement dans ce domaine du sport-là. J'ai besoin de l'aide à ce niveau. Le médicament, Dieu merci. En tout cas, je pense que je pourrais en avoir. Il y a aussi l'alimentation. L'alimentation, ça, je, j'insiste là-dessus parce que moi, je, devrais suivre un régime alimentaire très rude, très dur. Vous savez, docteur le sait, il est là devant moi. Le haricot que tout le monde prend là, il dit qu'il le ça va. Moi, si je prends le haricot, ma glycémie monte. Je n'ai jamais compris ça. Et on l'a démontré ensemble à l'hôpital. Ça, ça me prend euh, pour euh, l'alimentation, c'est ça qui me prend beaucoup plus de temps. Parce que souvent, il me faut aussi aller dans les campagnes, chercher les, feuilles vertes. Là. Chez nous, on, les, on dit les On dit les chez nous pour que je puisse venir manger ça. Souvent, ma femme étant très patiente, elle arrive à me préparer ça et à faire des boules qu'elle met dans le frigo. Et chaque matin, quand je voudrais aller, quand je pars au boulot, je prends une boule et je vais avec. C'est ça, mais mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Docteur, un dernier conseil, que ce soit pour les malades et pour ceux qui, qui ne se dépistent pas. Alors le conseil que j'ai à donner à la population, c'est à chaque fois qu'il y a, et même pas, à chaque fois que, en tout cas une fois par an au moins, pour ceux qui ne se connaissent pas, pour toute la population, une à deux fois par an, il faut venir faire sa glycémie et connaître son statut. Pour les patients, c'est vrai, c'est difficile. Il faut continuer à respecter le régime avoir son médecin régulièrement et ne pas arrêter de façon inopinée la prise des médicaments. Merci beaucoup pour ce conseil. Nous avons eu comme invité, euh, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le diabète, Dr Maman Sani Aminou, qui est le coordinateur du projet Amélioration de la santé des diabétiques au Niger, un projet de l'ONG Forsani. Et puis comme patient, Haruna Amadou André, juriste de formation, patient surtout, et Gorko Amadou. Merci chers invités d'être là. Et merci pour votre écoute. Bonne soirée à tous.